d'être 11h à et partout au Niger. fidèle auditrice et auditeur du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou de ce mercredi 3 avril 2024. Au micro, c'est Ali Munkela Ousseni, alias Seno, et à mes côtés, Fanta Chamsou pour la présentation. À la technique, nous avons Abdulkader Chambiano et Abdamadawaki à l'édition. Fanta, bonjour. Bonjour Seno, comment tu vas Alhamdulillah, ça va. Super, alors qu'avons-nous au programme ce matin Comme d'habitude Fanta, nous avons pour nos auditeurs un programme diversifié et stimulant il inclura un flash d'information, un reportage région sur l'actualité locale, une session de loti en compagnie des femmes du studio Kalangou. La culture linguistique sera également servie, ainsi qu'une revue sportive présentée par notre chroniqueur sportif du jour. Et bien entendu, nous avons également prévu une section spéciale pour nos quatre nouvelles rubriques consacrées au Ramadan. Ces segments offriront des conseils nutritionnels, des conseils religieux destinés aux jeunes, la rubrique rose ainsi qu'une rubrique dédiée aux recettes culinaires adaptées à ces mois. Et oui, dans la partie entretien du jour, nous allons écouter le chef de canton de Mayaï, Dr Issa Gado Sabo, au micro de notre collègue Maman Ada. chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Fanta, bonjour euh, Seno. Le flash d'information à présent. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, a reçu hier à son cabinet une délégation tchadienne conduite par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Mahamat Assoumiti, Abakar. Il est porteur d'un message du général Mohamed Idriss Debi Itno, président de la transition. L'objet de cette visite est de partager avec les autorités nigériennes un message d'intérêt commun entre les deux pays et que la candidature du Tchad à la présidence de la SECNA. Cette candidature n'est pas que tchadienne, mais plutôt une candidature des États du Sahel, a expliqué le ministre tchadien à l'issue de la rencontre. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Sherif, a présidé hier mardi 2 avril la cérémonie d'installation du comité chargé de réfléchir sur la pertinence et l'opportunité d'instaurer la journée continue dans les établissements scolaires publics et privés. En installant le comité, la ministre a souligné que sa mission consistera à évaluer objectivement l'expérience de l'année dernière et celle en cours de manière spécifique les réflexions et les échanges doivent se traduire par un examen minutieux et sans complaisance des avantages et inconvénients de la journée continue dans les établissements scolaires. La ministre a également précisé qu'il s'agit de, démontrer comment, à travers la journée continue, pourrait-on consolider la qualité de l'enseignement apprentissage par le respect du volume horaire hebdomadaire requis et l'utilisation optimale et efficace du temps scolaire. Au Sénégal, euh, le président Bassirou Diomaye Faye a nommé hier au poste de Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été une figure clé de son élection. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre, indique un décret et par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba, sur la télévision publique. Je mesure l'importance de la confiance que le président Faye a placée en ma personne, a déclaré sur la télévision nationale Ousmane Sonko, euh, qui avait proposé la candidature de Bassirou Diomaye Faye après l'invalidation de la sienne. Bassirou Diomaye Faye, jamais élu auparavant, devient donc le plus jeune président du Sénégal moins de trois semaines après être sorti de prison. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 3 avril 2024. Merci beaucoup Mokhtar pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt dans la rubrique entretien de ce matin. Euh, nous allons écouter Dr Issa Gado Sabo, chef du canton de Mayahi Et dans, cette première partie, il parle de la situation géographique de la population ethnolinguistique linguistique de Mayahi. Il évoque euh, également l'importance d'une gouvernance inclusive. Il est au micro de Mamanada. da hulani da bugaje amma cikin hausawan da kwai gobarawa da kwai katsinawa da kwai kuma wasu wanda mahiyawanci ba dan sa su eh, su ne kambarin bare-bare suna nan in karbar nan wajen kunuka gansu masu garugadan eh, nan a kan makwabtaka muna makwabtaka da sauran kasashe misali a gabas da kwai eh, masarautar kanan makashe a can kudu da kwai saye sabuwa da age a yamma da kwai sakwarnaka da kuma a arewa da kwai solita girs muna makwabtaka da su da kun ji a takaice abin da zaɓin baku bayani bisa kan kasan eh, mai to mai martaba yaya jagoranci yake tafiya a wannan masarauta duk da aka ce jagoranci gaba ɗaya ba abu ne ba na wargi dole sai an samu nutsuwa to allah ya sa mun zo mun tarra an bar mu gado wanda yake lalle daidai gwargwado an yi zagoranci cikin adalci cikin nutsuwa tunda kun shi duka irin eh, shaidar da aka bada to wannan jagoranci shi ne makatar da wannan gado to amma mu ya kamata mu ci gaba da shi mu ci gaba da shi cikin yanayi wanda yake daban da wancan menene bambancin jagorancin da da na yanzu lokacin da na gaban mu suka jagorancin eh, ko tsohona lokacin da ya yi shekara wajen saba'in da wani abu kenan ga lokacin nan babu jama'a da yawa a ƙasar nishar to yanzu ƙasar mai ta yi jama'a da yawa kuma wannan jama'a da kwan sabon tashi sosai yau ga shekarun shekara goma zuwa sha ya jima ba yawan shiga daji saboda tsuha da kwada dama da su sun gari sun zama sun yi wata yar da shi a ƙauye to yanzu da kawai nan yan shekara 20 din nan 25 abin da ya ƙasa eh, sai an aiki da su kuma su suka yawa to dole sai an zo yi kuma ita wannan masarauta eh, sai mutane suna ganin sai a ce a kawai zari'a saba ce a'a mai yawa suna da yawa ai kuma lokacin da muka takara wajen mu takwas muka yi takara eh, da kwai mai da dama wanda suka zo kenan duka wannan sai an aiki da shi don saboda shi ne mu cikin tsarin da muka ɗauko na tahiyar jagoranci muka ce ya kamata a aiki da kowa cikin wannan aiki da kowa muka ce mai fasali da za a yin kamfani da kamfani da ke da kwai eh, masu kamfani hudu da zuwa biyar kuma duk lahir mahiyar masu kamfanin nan mutane wanda kowane su ya kai shekara sattin ko da shekara sattin to in zama duka wani shekara sattin su su kula da yaro wanda mafi yawancin su ba su kai shekara talatin ba kun ganin ma da kwaɗin to muka ƙara yawan kamfanin na muka mada su kamfani goma sha biyar kuma wannan kamfani goma sha biyar aka ɗauko duka sauran mai yawa wanda dai suke da niyyar su shiga aka kawo su aka sa menene fa'idar adama da kowa a cikin tafiyar da jagoranci to kuma jagoranci ya zama yanzu ba kawai irin da ne ba na sayan mutum ya ɗauka ya ce ni ƙasa ta ni kaza a'a sai da jama'a hiyar zamani a yi ta yadda zamani ya kawo to sai zama da kwai wanda aka ɗauko aka ba su suma masu kamfani wanda ba dan ba sun gada sarauta amma saboda sun kawo nasu ƙwazo na cigaban ƙasa da kwai kuma wasu bisa kan aiki na cigaban ƙasa wasu masu gara ne wanda sun yi bare cikin wannan aikin wasu gari sun kauta su gudunmuwa da cikin kasa wasu wurare ne inda ke da eh, wanda suka san makarantar ƙur'ani suka yi shi kuma mafi yawanci duk shara'a da ake musu kan tafarkin addinin musulunci ne wasu inda suke da makaranta 'yan boko na kuwa na kawo da aka sa to wannan abu alhamdulillahi gaskiya mun din shi saboda ya sa a yau cikin lokaci kalilan sai ka samu labari tunda duk wannan masu kamfanin kowa kokari yake wurin shi ya abin kwarai kuma da an yi abu ya ba mu bayani kenan ba sai mun tashi da kowane lokaci mun je to haka ne ma muka ɗauko banguri muka sa kanmu muka ce ya kamata mu maido wannan martaba ta ƙasar take da don da wata martaba ce gare ta a can da kowa ya san eh, abin da ke tun maka a hemu ya ana zancen lanhu eh, ƙasan mai tana ɗaya daga cikin ɗaya ko ta biyu ko ta uku waɗanda suke biyan lanhu da wuri to yanzu nan wurin alhamdulillah dai eh, gunduma mai komin din mai amma da sauran mai guda uku su ne amumu a tantane da sharki to so muke aga masu wannan jimillar a ce kasan mai tana ta cikin ɗaya biyu ko uku na gaba kuma insha Allah za a yi tare da kama dukkan wannan dokai da aiki da shawara da zaman arziki da muke da gwamnati da kuma wannan eh, jama'a duka suna muna sauran su suna sauran mu da abin da ya kamata mu zo kusan su za mu zauwa mu don da shi gabata eh, wuya gare ta kuma kowa naka ne da mai gaskiya da mara gaskiya mai lahi da mara lahi abin da ya haramta ga magabaci ka amshe gaskiya wani ka ba wani wannan bai dace ba kuma haram kai shi Voilà, avant de continuer cet entretien, marquons une pause pour les conseils ramadan. Et aujourd'hui, la prédicatrice Umma Kaltoum nous parle de l'invocation à faire pour la nuit du destin. On l'écoute. shi dai daren lailatul kadari dare ne da ake samun shi sau ɗaya lakan a cikin shekara kuma a cikin watan ramadan a cikin kwanaki goma na ƙarshe su ma kwanaki mara kenan daren 21 ko daren 23 ko daren 25 kuma ana samun shi a dare na 27 wanda hadisai da yawa ma sun tabbata cewa an yi samun shi daren 27 ko kuwa daren 29 a raya wannan daren kamar yadda ya tabbata daga bakin Aisha yarda Allah tabbata gare ta ta ce manzon Allah sallallahu yana nacewa bisa kan raya dare Halima take cewa in na dace da wannan daren me zan ce manzon Allah sallallahu ya bata wannan addu'a ya ce ki ce ya Allah kai ne mai yawan gafara kana son masu gafarta Allah ka gafarta mu Voilà, c'était là le, les conseils euh, ramadan. Chers auditeurs, poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien avec euh, le chef de canton de Mayaï, Dr Issa Gado Sabo. Et dans cette deuxième partie, il parle des principales activités économiques de la population et de l'importance de la collaboration entre la chefferie traditionnelle et les autorités locales. Il est toujours au micro de Maman Ada. mai martaba menene sana'o'i na ainihi wanda al'ummar mai ta dogara da su to eh, babu wasu sana'o'i daban kawai mahi yawanci na sauran 'yan ƙasar nijar noma da kiwo to wannan noma da kiwo nan shi to yanzu da kwai sabon abu da ke hitawa eh, ana yawan tafiya diga da kwai sabon tashin nan mahi yawanci sai su je su ne libi su ne aljeri su samu kuɗi to yanzu shine mu ga namu tsinkaye ita zuwa neman kuɗi lalle yana da kyau zuwa neman karatu shi ma yana da kyau sosai to amma zuwa neman kuɗi ƙarhi na ke zuwa a yi ƙarhi ƙarewa yake lahiya ƙarewa take wani tanadi ya kamata a yi to mu hari kenan muke son mu gani ya za a yi samarin da suke zuwa suke aikin su samu dukiyarsu su yi abin da za a unhwana su radda in ba ƙarhin zuwa buɗe kuma suna da abin za su yi nawo wanda za a ba su dama su rayu maimakon irin da muke gani sai ga an ta an je an samu kuɗin an ɗauko wasu tabiyoyi sai ga ana rasa shaye shaye irin taba ga wata shisha irin wani shaye shaye giya koko a zo mutum da kuɗin sha zuwa sayi eh, babur ya yi ta gudu ya ji ma kan shi ya ji ma wasu to da na ce alhali ko in ya dauko inda ya samu ya dama da kawai ɗaya ko wani kiwo. to mai martaba ya kuke ganin makomar masarauta a cikin wannan ƙasa tamu. to madalla eh, tambayar ku lallai tana da ma'ana tunda in kuka lura a ƙasashen afirka inda kuwa ƙasashen da suka riƙe sarautar gargajiya ina jin eh, nijar na cikinsu da nijar da nigeria a samu da wasu ma'angadan biyun sun yi to kuma masarautar gargajiya tana ƙara ɗaukar daraja duk shekaru ka gani kun yanzu gada a nijar ta haƙarhi gabas yanzu kun ga eh, eh, yammacin nijar ma ta ƙara tana ƙara ɗaukar mahimmanci tana ƙara daraja kuma mahi kuka lura duka wanda suke hawan wannan matsayin na basarakin gargajiya mutane ne waɗanda sun yi wani dogon karatu ko kada sun dai wasu ayyuka kan ga muhammad na gwamnati to ya kamata a yi aiki da wannan a sa a gani ya za a ta da gargajiyar nan da ci gaba tunda mutane ne wanda matuƙar ka ka yi adalci ga gaskiya to a saurare ka inda ka riƙe wannan kenan mutuncinka kai ne in muka riƙe shi to a saurare mu to in ku muka mai maido hankalinmu bisa kan ci cigaban ƙasa to insha Allah za a ci gaba. Ya kuke aiki da sauran hukumomi na zamani wajen tafiyar da jagoranci? Eh, ai kun ga misali eh, na eh, biyan lanho a yadda aka yi saboda wani abin da muka rike in muka zo muka in aka ce gashi daidai abin da ya dace mu zo mu in lanho ne mu ce mu mu biya mun sha da su yanzu Eh, ko wannan haɗuwar da muke da ku eh, yanke aiki ne na tawadda na kamata in ji wani kawai. don ana gaya mu muna aiki hannu da hannu tare da meri inda kawai kawai da suke gani da ke da yan matsala su gaya mu sun ce to shi kenan muna zuwa sai su ba mu rubuta da ba ma da da rasibar ma muke aiki sai ce mu gari kaza yanzu aka rasibar ɗan sharki ya bani wajen gari wajen goma sha yanzu sauran gari ko hudu ne ko biyar yau kuma dare sana'i da su in muka je masu jawabi su zo su gani su fahimta tunda eh, doka ta ƙasa ta Nijar wannan nan da ake cewa yanki-yanki da saturation wallahi abu ne wanda in ka bi shi ci gaba kawai babu wata matsala za a yi shi amma mai aiki da shi to in muka aiki da shi ko za a yi tunda wannan lawan da ba ta taka kara ta karya ba ba su kuɗi masu yawa to amma masu daraja mai daraja su dalilin su ake samo wani arziki ke shigarwa kawai da hausa ke cewa da ruwan ciki ne ake jawo na rijiya kuma a dahwa mu ya zama na mun samu wakilai yanzu misali muna ce muku an yi kamfani kamfani wa'annan masu kamfanin ya kamata a ba su horo wasu kamfani iri-iri na aikin da ya kamata su yi don da zai lura kuɗi ba ma'aikatar likita ko mu shallakwar da an su kawo wani sabon fasali sai a ce a sai an ba su horo kwana biyu kwana uku nan sai to sunan wurin sai a bar musu kara zube to in muka zo muka ɗauko aka ɗauko wasu kamfanin in wasu kamfanin lanho ne in wasu kamfanin wani aiki ne masarauta ke yi saboda shi wannan eh, mai kamfanin na wakilin sarki ne a garin in kana da gari goma sha biyar to kai kula da su duka wannan to in ya kula kun ga da ya ga abin da ya ci karhin shi sai gai sannan sarkin ya je kenan da kwai wuraren da sarki sai wata ma bai je ba ba matsala sai je inda ke da matsala gyara sai dai in ashe na a kara mutum kuzari a ceto lallai haka yake a gaba mai martaba ya kuke ta da hulɗa ta da sauran masarautu da kuke makwabtaka da su. a hulɗa alhamdulillah don hulɗa fi sabidillahi kawa an share mu hanya ne tun ko ka mu zo mahi yawanci dukkan su sauran masarauta na na maraɗi sun kama masarautar nan da muhimmanci saboda allah ji ƙanshi tsohon marigayi duka sun ɗauke shi kan uba kuma yana zuwa kuma ko da muka zo ina jin ɗaiɗai a wuraren da bamu je ba kai ba na da kai wurin da cikin da wannan makotan namu babu da wanda bamu je ba duka mun je inda da ba ko muna hulɗa arziki da su muna yi kai huce nan ma muna ƙetara muna zuwa wasu wurare paske babu abin da eh, ba a yi za a yi in ba a haɗa kai ba yanzu hatta wannan fasalin na na buɗe kamfanin nan na imas kamfanin dama a nan lokacin da na hau na kama na matsayin sadakai da dama suna zauwa suna mana barka in suka zo barka ina da kundina wannan ke rubuta sun tattauna da su kaza kaza kaza ya gani bisa kaza sai in dauka sai in rubuta in wani ya tayi ya da kuma na buga mance kawai ya kaza to bisa ka wannan muka yi fasa lokacin to lalle ba a jagoranci sai an dauko kowa nan ne muka samu hannun na dai a ɗauko duka wanda suke san gada kaka ce a don gidanmu ne eh, zance a sauran ma sun gada gidansu ne sa su sannan kuma da ko wasu wanda ba sun gada ba amma sun kawo gudunmuwa eh, a ci gaba da duka wani tauna da su muka tace muka da wannan shawara muka zo muka yi to sai in ce gaskiya alhamdulillah muna zama arziki da su sosai Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique entretien du jour. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre les conseils diététiques. Oui, c'est nos dernières lignes droites pour le ramadan, même si nous tendons vers la fin, nous tenons quand même au précieux conseil du nutritionniste. Comment bien manger à la rupture Abdrazek Bello, nutritionniste, nous explique la manière dont il faut procéder de la consommation de nos aliments et le rapport nutritionnel pour l'organisme. On l'écoute. Ce qu'un ingénieur doit prendre au mal de la rupture, la première chose, c'est d'avoir à l'esprit que lorsque je vais rompre, il faut que je respecte le principe suivant. Le principe, c'est d'aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. Donc, ce qui fait qu'à la rupture, on peut consommer des aliments, notamment comme la date, parce que tout simplement, la date est riche en vitamines est riche en potassium, et riche en fibres alimentaires. Maintenant, après cette date, on peut consommer l'eau, les boissons de façon générale. Maintenant, les boissons, il faudrait simplement avoir à l'esprit que la boisson qui est prioritaire, c'est l'eau. Et l'eau, elle doit être consommée vraiment en évitant de cette habitude que nous avons de vouloir consommer de grandes quantités en très peu de temps. Donc, au moment de la rupture, et tout au long de l'après-rupture, il faut plutôt consommer de petites quantités plusieurs fois que de grandes quantités une seule fois. Également, au, moment de la rupture, on a la possibilité de consommer des boissons sucrées. Et ces boissons sucrées, il faudrait également éviter d'être dans l'exagération. Donc, parce que tout simplement, les boissons sucrées peuvent avoir d'autres conséquences. Et c'est maximum 2 à 3 verres de boisson plutôt que 2 à 3 litres Maintenant, après euh, ces aliments liquides et semi-liquides, il est important également pour le jeûneur au moment de la rupture d'avoir des fruits et des légumes. Essentiellement parce que les fruits et légumes contiennent des éléments nutritifs qui sont bénéfiques pour le jeûneur. Le premier élément, c'est notamment les fibres alimentaires qui sont indispensables pour améliorer la digestion. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup qui souffrent de troubles digestifs comme la constipation. Le fruit et légumes, c'est également important parce que les fruits et légumes contiennent des vitamines antioxydantes comme la vitamine A et la vitamine C. Et ces vitamines-là sont particulièrement importantes en période de forte chaleur parce que euh, la vitamine A et la vitamine C ont des propriétés qui permettent de mieux supporter certains, euh, certains problèmes associés à la chaleur. Maintenant, on peut également consommer des viandes. Donc la viande, elle est importante parce qu'elle va apporter des protéines, que ce soit la viande, les poissons ou autres aliments similaires, sont des aliments qui sont à conseiller pour le jeûneur, mais il ne faudrait pas consommer des quantités importantes. Voilà, chers auditeurs, c'était les conseils du nutritionniste Abdourazak Bello. C'est nous aussi on soufflait avant la rubrique hebdo. C'est mieux. <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi, nous allons parler environnement. Oui, c'est Le département de Bilma est situé dans la zone désertique de la région d'Agadez. L'ensablement est une réalité dans cette partie du pays. Les cuvettes et les oasis sont de plus en plus menacées par le phénomène de, l'ensablement qui est accéléré dans cette zone. Le commandant Hassan Younousa Amadou, directeur départemental de l'environnement, explique ces phénomènes au micro de Kiarichegou Bankada. Monsieur le directeur, expliquez-nous le phénomène de l'ensablement dans le département du Bilma. L'ensablement est un phénomène climatique normal, accentué par les actions humaines. On peut citer d'abord euh, le déboisement, la coupe abusive du bois vert. La deuxième euh, chose qu'il faut retenir, c'est aussi l'accroissement de la population. À travers tout le Niger, on sent que la population est en train de s'accroître. Et donc, Bilma n'est pas épargné. Plus la population augmente, plus les gens ont besoin de terres pour cultiver. Et pour cultiver les terres là, il faut d'abord déboiser aussi. Il faut élaguer. Tout ça là, ça crée des brèches pour le passage du vent. Le troisième aspect, c'est aussi le surpâturage. Même si Bilma n'est pas une zone euh, par excellence d'élevage, on ressent de plus en plus le passage des caravaniers là, qui quittent euh, Ngingimi pour aller à la Libye pendant leur passage là, plus ils durent sur un endroit, plus les animaux mangent là, les arbres. le dernier problème, c'est vraiment le changement climatique là qu'on ressent chaque fois, la tendance des chaleurs et des inondations. Mais heureusement ici, à Bilma, on n'a pas les inondations parce qu'il ne pleut pas. Mais ce qui nous dérange ici, c'est la chaleur. Plus il fait chaud, plus la nappe phréatique s'abaisse, plus les plantes n'arrivent pas à puiser l'eau qu'il leur faut. Plus les arbres meurent, plus ça crée encore des passages à, à l'assablement. Quelle est la situation actuelle de ce phénomène L'assablement dans le département de Bilma est un phénomène très inquiétant il y avait un projet qui a fait la plantation des arbres là, au niveau du département de Bilma. Donc, ils ont fait une étude, ils ont vu que de 1960 à 1986, les terres cultivables ont passé de 45 550 hectares à 28 700 hectares, donc une régression de 16 800 hectares due à l'ensablement continuel de la zone. Quelles sont les actions que vous menez contre l'ensablement la première activité, c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilité de la population à ne pas se donner à la coupe à mesure du bois vert. Parce que plus on coupe le bois vert, plus on crée des brèches pour assembler nos infrastructures socio-économiques telles que les puits, les points d'eau, les classes, les bâtiments et autres on sensibilise les gens aussi à planter beaucoup d'arbres. Parce que plus les gens plantent des arbres, plus on, peut mettre fin au phénomène d'ensablement que nous connaissons ici. Mais la sensibilisation n'est pas toujours efficace, vu que la zone est un peu éloignée les jeunes n'ont pas d'autres sources d'énergie. Donc les gens sont obligés d'aller couper le bois pour faire le bois de chauffage, le bois de service et le bois d'œuvre. Mais nous essayons de, faire une autre activité qui est la fixation des dunes. Il y a d'abord la fixation mécanique qui consiste à utiliser les, palissades avec euh, les rachis de datier. Il faut aussi renforcer par la plantation d'arbres, des espèces euh, locales qui sont adaptées. Voilà, c'était la rubrique environnement. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web, le www.studiocalangou.org. Et c'est nous, c'est l'heure de faire un tour en région, n'est-ce pas Oui, Fanta, et direction Balayara pour euh, voir quelques activités génératrices de revenus que pratiquent certaines femmes euh, de cette localité. Plusieurs femmes épouses d'anciens militaires du quartier Château dans la ville de Balayara se sont organisées en groupement pour mener des activités génératrices de revenus. Et Choukran, c'est le nom qu'elles ont donné à ces groupements dédiés à la transformation des produits à base des céréales qu'elles revendent. Mm. Écoutons ces reportages de mamans. ta dandakoi. so gizene iwan wanda kan yango shato in kamba dancar kamba gate gurupuma fo gurupuma shukuran maria salai inga gati iwan presidento agir fahamandi mati matikinni goginge grupo kedra wo kayandi ay gonde giri way gucindiddo ir grupo maka ci sukura ir bor way takino ara way bor waran zikindugu ala gu ga sintina kinni sekonda tirmo ir mana sintin kadde dungu tasi hinki hinka ka sintin kite ngwali zai barbar yammo aye ka kan dirse karnai wo kanga igbe kulma hantu no runo ni sambu de garaw no sambu rano irgate ir wo sibor ma ke lamba ke nigbe ni wo bai kan namante lana lamba ni gice dine lamba fuaga bai bai kano lambi hinku bora ga tuni ingo no kala irmu to ami za wai kala mko izangu zangu no irgo gudulu bai kangi wa igu gudang kangi hino zangu gudang zangu ndu wa igu kwa igu zangu kwa igu gono zangu hin kan du wai gu wono gono zangu hin zu gono zangu kwa igu gono zangu gu gono zangu kwa igu halaka son presidento ya ye girfa hamandi matakan kine igogin ga ke so ke dirwo ke sora dai dizambar waran kuno ni gaba irgin garawni ko kun murado te aba kwaro bor fo muka kai ni bo in kai ni gaba kan nim to ami asin dinim ka kuno roba gaba da kai nim to zambar waran kam dangir grupo dai irwo ir agrema da 2003 no inete so iri ka bare ne te o hada o hada 2020 ni 2016 ka ka so ngono irwo irgo goyo te kopizi kira waran koro bara aglo so bara kan ka retar waran kan irwo sande kursino kada irum fo ndikare irin selan ka haru ndai sirga ma bor ta gida ni go fulo yo ka kulkan iddan za sintina ka kasongo bora ga banno ga am fulo bora man bana a fulo du bora ka irga kini matkan da matkan non gite fur gulu pora din gi hini mu furo din si hini mo nan ima ha me kutu ngai bonga ya din ga de bora kan de wai gu kne foi gine noru din gondo wai gu ni gu tonton din gondo waran kan gu tonton amma din kai kini al albora hin siti kunwo zamano kara irgu bora gi chargano mariama kimba ago guru pora inga mo aina ha goi ifo no agoga ti agoga du noru kan ga dan gurupa ma ke darawora lokol wate ai gite dambu ai gite kobto han fo yan dambo kobta go wani kobta kai gine go wani du lokol ban du do zinaidu da hanti naidu du dam sinaidu hay kul kai do ya gine de em su balle yara ai gan sambu nan gumbobo han fo yan hala an zuriyan han fo yan hal na mari yan ya samba o su kono sa zongu kan sindu bo si waigu waigu no tasa dai karkare mandu bundu da ga sege santai samba mi na kina dai gurupo do ai be kun kun zubi ai mai har hinu kusune fo kuna alarba mina ay mo ande grupo do dai to kay mai hannere mba ta hanti no gai ka kabe ka borai ko sangi irgu dai kama zan kai no ditu ni ka dai hanna mu gwanda na fu bobo agogo bor bobo na fu ba man chai kan go gani hina son dai ni hina borai kan dinga ta sai ka haro ta borai gan dai igano gai mo ko koi gandi ma han haro ma haikulu la haro bor bobo na ga safar har bobo jabet ko go ka karo kanta esto ma ko yango ka kanta hay ni ya haya ku dai batan so ko go ka ko gidana fa gundo ke bai tai ai san bai mu koi dai hijai tai san bai mu koi dubu yan no yanno motu noru do no ide motu noru kara im ko morgo morgo mo ne yawat ko ka il bor sam bu zongu gu zongu iddo ayana gan ba ko garawa bon wo den seta ta ko koi mu dai hankan wadda fo dai masu mo dan kai wadda fo guna maryam kimba ayegu woy borai lakkalai candika dig bag fur grupo ga ke ni ga kayandi irma Hanganas. nim bonga koy Chabay, nugu koy hije bu moto ba hay ga ba funnu wadai wara en eh, koy chabay na ruwa no di koy na no ngana ga bari eh, da kan ga bara kun wa ga no ya ga bo bonga ir koy mi di koy mirga da ir siba mu fur dullura ir woy ir bonga ir makamba dan ga Merci à Mamata Dandakoy pour ce reportage. Un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent à Baleyara via la radio Dalol. À présent, c'est nos places au sport. Oui, Fanta, c'est le moment pour nous de courir dans cette émission et notre chroniqueur sportif Sariou Adam est avec nous. Bonjour Adam. Bonjour nous. bonjour Fanta. Alors, ce matin, nous allons débuter avec cette information concernant la nomination de Marc Brice au poste du sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. L'annonce a été faite au cours de la journée d'hier. Quelques heures après, la FECAFOOT, dans un communiqué rendu public, informe le monde du football et notamment les supporters des Lyons que la fédération a pris cette nomination du technicien belge et plusieurs membres de son staff technique au titre au même titre que le public. Alors Adam, euh, tu peux nous en dire plus sur euh, ce communiqué de la Fédération camerounaise de football Alors dans ce communiqué, la Fédération camerounaise de football a clairement nié ce choix de nouvel entraîneur de Lyon zondable. La décision a été prise au niveau de la présidence de Paul Biya et de ses collaborateurs à la tête de l'État. Selon la FECAFOOT, cet acte qui s'oppose au terme du décret numéro 2014-384 du 26 juillet 2014 oui, 2014, portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. La Fédération camerounaise de football, qui est présidé par le triple ballon d'or africain Samuel Eto'o, entend apporter un éclaircissement sur cette regrettable situation. Merci Adam pour toutes ces informations concernant le football camerounais. Parlons à présent du classement général des équipes féminines africaines de football. La FIFA oui, le classement FIFA des équipes nationales féminines pour l'année 2024 a été officiellement publié par l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, le vendredi 15 mars dernier. En Afrique, c'est le Nigeria qui occupe la première place, suivi de l'Afrique du Sud deuxième, le Maroc troisième, le Ghana quatrième et la Zambie cinquième. C'est la fin de ce numéro sportif. À demain avec Hassoumi Grouza. Merci euh, Adam Sariou pour toutes ces informations. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous de découvrir notre étoile du jour. Il s'agit de qui, Fanta notre star, comme tu l'as dit, s'appelle Maman Abdou Imrana. Il est dessinateur et portraitiste à 27 ans. Maman Abdou est étudiant en troisième année de sociologie à la faculté des sciences humaines à l'université Mouni de Niamey. Natif de Niamey, l'artiste commence à dessiner depuis euh, l'école primaire, euh, première source d'inspiration, son premier amour, les dessins animés. Désormais PDG de IMO Décor, Maman Abdou Imran rencontre la vie quotidienne à travers ses dessins et portraits. Ismaël Amadou Harouna Jibo l'a rencontré à l'espace Art et Culture de l'université en pleine création artistique. On écoute. Cette ambiance de crayonnage rythme la vie de Maman Abdou Imrana. Des cahiers d'école aux planches, l'artiste a grandi. Il se souvient de ses premiers gribouillages. C'est depuis l'enfance, euh, je me suis inspiré des dessins animés et autres. Mais pour les portraits, c'est une longue histoire. Déjà, c'est à cause d'une femme. C'est une histoire d'amour. Bon, à chaque fois que je finis une œuvre euh, et que je les compare, je vois que c'est bien fait. Maman Abdou Imrana rêve grand. Il veut professionnaliser son métier à travers sa maison de production d'œuvres d'art. Il précise les outils essentiels. Bon, les, outils qu'on utilise pour faire un dessin quelconque, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste d'avoir euh, du papier, des crayons, une gomme, euh, un trace, des camoufleurs pour sur lesquels déposer le papier pour ne pas que ça, ça soit pas impeccable. Rêveur et perfectionniste, l'artiste suscite l'admiration de ses camarades le cas d'un jeune artiste en art et culture. Yakuba Umoru Maman souligne les capacités créatives de son collègue Imran. Sa créativité est juste exceptionnelle et c'est juste euh, parfait, je trouve. Il arrive à se rapprocher vraiment de la réalité. Ses dessins sont tellement proches de la réalité que si on te montre ce dessins à une certaine longueur, tu peux jurer que c'est une photographie. Dans son coin de création, l'espace art et culture de l'université de Niamey, les admirateurs se rassemblent à bonne distance. Les éloges pleuvent comme des pétales des fleurs. J'apprécie vraiment ce qu'il fait. Il m'a vraiment impressionné puisque j'ai jamais vu un dessinateur pareil. Dès qu'il voit une image comme ça, il les dessine. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir dans l'art. Vrai dire, lorsque je vu l'image qu'il m'a conceptionnée, genre c'était typique. C'est de bon augure pour le dessinateur Imrana. Malheureusement, l'État accorde très peu de moyens à la culture, à peine 3% dans le budget 2023. Ibrana exhorte les jeunes dessinateurs à démarrer avec des moyens personnels. Merci beaucoup Ismaël pour ces portraits assez inspirants. À présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Tout à fait, Fanta. Pour rappel, hier, nos chroniqueuses nous ont parlé des 5 horaires fitness que les femmes commettent. Euh, nous poursuivons aujourd'hui sur les bonnes pratiques en sport pour euh, rester en forme. Écoutons les femmes du studio Kalangu. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses nous sommes ravis de vous retrouver dans ce numéro de la rubrique rose. Une nouvelle année commence, on s'accroche à nos bonnes résolutions pour rester en forme. Pour y arriver, on s'informe sur les bonnes pratiques et on abandonne celles qui ne fonctionnaient pas en 2023. Voici nos conseils pour éviter les pièges et sculpter nos corps avec les bonnes méthodes. Pièges à éviter. Répétez le même entraînement encore et encore. Lorsque vous débutez quelque chose, il est fréquent qu'il soit plus facile de jouer la sécurité et de s'en tenir à une routine que vous connaissez bien et que vous maîtrisez. Rassurante. Cela peut fonctionner dans certains domaines, mais pas en matière de santé, fitness et musculation. Répétez les mêmes exercices jour après jour, semaine après semaine, va vous conduire à l'ennui, l'épuisement et la stagnation. Ajouter continuellement de la variété à vos séances d'entraînement peut aider à vous assurer que votre corps est perpétuellement un challenge. Piège 2. Vous ne vous poussez pas assez durement. Avant d'appliquer ces conseils très recommandés pour éliminer vos erreurs et changer, vérifiez d'abord que vous avez été médicalement autorisé à faire de l'exercice avec intensité. La plupart des gens ne se poussent pas assez pour atteindre les objectifs qu'ils désirent. Aller à la salle et soulever des haltères de 4 à 5 kilos ne suffit pas. Pour que votre corps change, il faut faire des changements drastiques. Il faut impérativement placer votre corps sous le stress. Piège 3 à éviter. Avant de attentes irréalistes pour vous et vos résultats vont faire que vous allez rendre votre programme d'entraînement presque impossible. Vos objectifs doivent être à la fois quantitatifs et qualitatifs. En vous donnant plusieurs points de repère à atteindre, vous maximisez vos chances d'en atteindre. Trop souvent, les femmes ne se rendent pas service en essayant de copier-coller le succès de quelqu'un d'autre à elles-mêmes. Votre parcours santé vous appartient, tandis que d'autres peuvent vous motiver et vous encourager vous êtes la seule à pouvoir agir et faire le job. L'idée, c'est de miser sur sa forme, avoir des objectifs sur sa forme qu'on veut atteindre et pas miser le corps de Jennifer Lopez ou Rihanna ou encore Beyoncé. Alors Maria, voilà les filles, on passe à l'espace santé et bien-être. Coucou les filles, nous allons continuer avec l'espace santé bien-être dans la rubrique rose. Poursuivons avec nos bonnes habitudes pour rester en pleine forme. Boire suffisamment d'eau, l'eau est essentielle pour maintenir la forme physique. Elle aide à réguler la température corporelle, à transporter les nutriments et à éliminer les toxines. Il est important de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour maintenir une bonne hydratation. Il est recommandé de boire environ 2 litres d'eau par jour. Évitez aussi les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes peuvent nuire à votre santé physique et mentale ainsi qu'à votre forme physique. Il est donc important de les éviter autant que possible. En conclusion, il est essentiel de maintenir sa forme physique optimale pour rester en bonne santé. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport pour maintenir votre forme physique. Vous pouvez faire de l'exercice à la maison, manger sainement, prendre des pauses actives, boire suffisamment d'eau et éviter les mauvaises habitudes pour maintenir une forme physique optimale. En suivant ces conseils pratiques, vous pouvez maintenir votre forme physique tout en travaillant et en étudiant à la maison. Il est important de rappeler que le maintien d'une forme physique optimale ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite de la discipline et de la persévérance. Merci Mariam, c'est tout pour la rubrique rose. Nous avons kiffé tous ces moments de cuisine, de beauté, de mode, musique, sport, de santé et bien-être passés en votre compagnie. Nous vous souhaitons une très bonne année 2024. Restez en compagnie des programmes du studio voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter la rubrique rose présentée par Rabi Mekano et Mariam Adé. À présent, euh, passons au loti du jour, n'est-ce pas, Fanta Oui, c'est nous. Dans nos sociétés et nos cultures, au sein du couple, les responsabilités de chaque conjoint sont situées. Aujourd'hui, le loti parle des responsabilités du mari envers son épouse et ses enfants. Une discussion entre Rekia Arimi, Samira Rouafi et Moussa Hassan.

subhanallah har da buyan ifo gate heka ki yi sai bani ifo note wallahi usmanu amma ba ta handu in ka kai ya kafu yan ai salan agan sai an tabo kan ai te usman bande agan salan ai sai agan ne mi ye so ingine ya aye ga sintin ingida yama a gondu noro amma a singa ba wari de ga gisir se windora ha a wanji ga fu noro bana kal windu koyo gidi ka kaye bon son koy ne zan kai noro ko je soki nim kandala kol a wanji gano koy na gondu noro so yin zan kai gono dinga gisai sai fu yan isi koy la kol wallahi sihini ai si ya kwara wallahi he irkoi he dangai nangai mai hijabu sambo gaka irkoi gagar nodini ai kya sai hai kan yan hima <laughs> waltanti a si pa fu hey nan akka gai garne ai gonne ba ba ba ba gutu su bana Salamu alaikum wa alaikum assalam ah tanti ana yi haran kuna lokaci ku kora oho ai gai ne za su bai nai gone ai gogin bot <laughs> tabbat a ranga cim ai man wasu ka haboci na nogo goyadin Sun da ko mu bokasino to irkwai dai mu dago nan di aizo ni ma ga sai nai ka windo wora ka goro irim salam to ni di hay kan se ay kane wo ay mu doga salan ni seno hayai wo kan ni goga te asibori ate handu ne ya kan aika ay naran sa sabandi nin da aisa ni gorga sino kan halga kason ni man barmai son wa ay aisi da sanni ta gifu kwai ne halga kason ni menin da hadin barmai wala aha aisa ni goge ma wasar kurara yan obanda ka din koy fu mo ay hayre do kai jombe ha a usman amanin masara guna ba a ga hamu ganki gun matikan ko ciwo ga hamu goda ha a fabu a bi ya ki non koi ga sambun da ni siga di ni siga bankare ha wo tini goyo wo window wora ta amsu ai bo kanta kurnyo ya ne gor habora ai kursi ba hankan ganwa ai mi ka fu koi ne kaina kan ai gudu ne ye ko ka jine te jen dai da ye kan da habora be du ba ai kan da wal man ta usman irkwai dai mini yafa ni wanda wo ngano go hay kuljine a wani saluyan a wani ware a wani bankara da wani mu bano ni himano ni maguna zakan nin ku harga kata newo ni bonno a wani tina kulgo ya yadino arsilam ne amma ni wo mutukan ni goga sambunda irkwai gihin gin hada su bafa subhanallah tanti hamsu musibo na won ware yasi ya dinga dinsi baba na wo min gana gurgin halai hansefa hai kai na kan ni gudu aga wasa ni neran nerando din wani ni almiyalai bai nisibai kan no zankai ginna fanda su ba di tunu amma din siga din siti se haiki gaba ba isi ba da abinda ga kan bana musu ba tanti walhanan aisi aranga chim tai gano niga alhaiha ni wanda gano niga alhaiha usman aran dugaran gurai te i hannu aisa alhanan isi musfanda yi hinne ai fahamda da loda tinawa kan gwaigin daban bandabo dai songo a ban in kunu me ai kul kan gojin da ban da bon ce ke sin ka tabbatan di da zan kai sai ai wai sigi ya dinga an bono usman ai sofu dai mi yefu zama ga bai kan ni ga sintin haisa ai ga tabbatar din sai kan a siye ga fillo ko ne wone wo munane yayi a siya ka ti haisa ai kan ai ga kini sai gorni fuwara ni misali ni zan kai din kunye za ka mi kurnye wo ni ha alhahi ma alhana sai aiwa garin nan aran matu garan sannai hanse aran gamara ik sabu sabun setan ik dai magan ba to ikwai ma albarka da naran C'était là le loti euh, offert par les femmes du studio Kalangu. Découvrons à présent la recette culinaire du jour. Oui, c'est nous partons à la découverte du kopto, le plat traditionnel des Armas au Niger. Une spécialité qui a conquis le cœur des experts en nutrition. Ces plats transcendent les frontières de la simple nourriture pour devenir un véritable symbole de tradition et de convivialité. Et oui, c'est un héritage culturel précieux qui mérite d'être préservé et célébré. En explorant ses origines, sa préparation et sa signification culturelle, le copto reste un symbole de tradition. Reportage signé Nana Hadiza Hassan afai wato dini wai borai di gingai di ganda da tan dini di dungai mari ime kuli kadan maro dini ga di bigan da Teda da this su kaden tunu bonga bene ka kai sar gani no kanwa ton kadan ara amana haro mazi amana ha haifo maro ima dungai ton kai za kai na ka dangara imi ngai ciri ganda dai kaci din duni kwabato zam wato dini sire tusumi tusuma di dungai dunguri kwabato wali di logo kwabto ngani gidan charra rogo kwabta dina saba kanan ka sabori ma kankam ai ga lesa kankam kadangara din dangara ngano te dambu to sina sai kaltu sune dunguri mo igu koi ka ceri no ka ma dumbu kalamu bori mu kwabta dangara mu so ma mu ima tunandi zaganda ni ga tunandi dina dandan bora kanagu abanno atusumano ya songa imari bi hinna ni giceci imingai tonka kaina dan imingai cisi kaina dan abanno ya afoyen mo kwabta konono igate kwabta konono kwabta ngai mo jisimu kwabta yan ni giceci da sajo ra gan ngai marga marga kwabta kwabta foyan ngai ni giceci imingai har kasum kalam bori imingai har wato dibi ganda ino akari gaba tiga daga yan wo kusun hon wana yan iwo dibi ganda akari gaba dai kici mari bi follon ko dai mari bi follon ko ni ma dru kalamata ti ji dibi ganda wo manti ganda ni igor ka dibi manti bene mo ni igor ka dibi nan kan ni gogo dai manti so ine gogoro so ha igi hini kan dai se koptai da tusu mai din da dambai din kulman dame ai mu duwai ta sai ai maka ka hari kai no dan ara ka mu sai kalam borai ma dan ara dibi ganda na ai gun wani gun wasalawo danga zambu no ni bai dinna kawi handi zambu tara kan ga cindi ganda ni ga haddan ara kan hanga aga cindi zambu tara ganda inga no ni ga kan kam kadan ku sizara ni ga sobai katunan diga ni ga sobai katunan di kalama cirai gau gau gau gau gau ni ma doru ni ga daga sai bazau bazau bazau bazau ni ma doru dinna doru dinna ganda ni ciri kaina wala bin da hauji wato din borai iga da hauji dinna wasaladin te ingino a, a tunu dini da tunu niga bai ya kine nima jiyo dora bon ka bu jiyo ga mannara nima dinna ku danga jiyo haganta no abo dinna dangara din in kati haganta niga bai no ya kin da tunu ma jiyo doru bin dora to dinna jiyo doru bin dora dini ha dunga din no ga din furo wasala kulura da furo wasala kulura nima ku dinna ku ha ni kirin ton kai ne ne cece wasala ni ga ne wadin sai tusuma daban wasala daban Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et restons toujours en cuisine pour découvrir d'autres recettes avec notre collègue Samira Rouafi. Bonjour Samira. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien, merci. Super. Et tu nous présentes quelle recette ce matin Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette euh, toute simple, c'est celle euh, du jus de pain de, de, de singe à la façon sénégalaise. Mm Est-ce qu'on va pas aller en Hausa pour aller plus vite si tu veux <laughs> Ok, sinon tu nous suis 100%. ok, voilà. Donc, pour le faire, uh, da bukata a samu gayan kuka. ko kukan ma da kanshi mhm. inda garin kukan ne za a yi za ki tana da ruwan zahinki ciki deja ya kamata ki samu citronel da shi da dan mint a tafsar da su tare sai ruwan nan duka odor institutional in yayi degaje da shi da nan mantin to su ne zaki ɗauko da zahin su ki gama da wannan garin kuka taki da ja san adadin wanda kike so ki in kadan ne inda yawa zaki ɗauki garin kuka nan da ja kin haɗa da ruwan zahi zaki tada shi da kyau sai ki tace saboda a samu tsafta ciki saboda wata kan cikin kuka ba a rasa wasu 'yan diya da wasu gashi gashi madalla to in kika tace zaki nemo eh, madaraki mai suga wato lake concentrate za ki sa daidai yadda kike so in dai kika sa shi baki da bukatar ki sa sukari ko wani abu haka sai da in mutum yana so za ki tada shi ki hada da kyau zai zama miki kamar wani dan koko koko wasu na son shi da kabri saboda in sun sa shi ya kama jiki wasu kuma sun yi son a yi shi da ruwa ruwa mm-hmm. mai fan da wanda ke son ki conserve yin abinki za ki tanadi yan bido bido in ki koko wani dan kwaf da haka masu kyau za ki sa abinki a firigo ko ki kukulla cikin leda da yara suke son shi a polo in kina da diya <laughs> zai yi glass yara na shan shi haka nan kuma in kina so da sanyi shi ma ana iya servir in shi ballantana ma yanzu ga azumin nan wasu ba su san wani ruwa ruwan hari nan da wani abu wannan savaran plasisa kin gan zai yi kyau in kuma da diyan kuka ne kuka ita cikin zahi zaki nema ki sa ɗiyan kuka ciki a liƙe su wada ta yadda abin ga iska ba za ya shiga ba sai diyan kukan sun rabu da su da uh, abin gan kuka amma sai ke samu ko da dan fuwe ne hakan ga da zaki dan bubbuga saboda madalla <laughs> maburkakin ma ya yi sauki shi ake samu da wuri da dan maburkakin sai a raba diyan da shi da ruwan kukan shi ma zaki tace zaki hada da wa'ancan kaya da na gaya miki ki hada abinki haka ne nake yin shi a gida Voilà, merci Samira. Chers auditeurs, j'espère que vous avez pris note. Fanta, retour au studio pour écouter la culture linguistique en Zarma. Elle est présentée par Moussa San. Et le mot de la semaine est la, la procrastination. Je vais y arriver. <laughs> <laughs> voilà, chers auditeurs, le mot euh, de la semaine est la procrastination. Bravo. Wow. ton tour. <laughs> ça veut dire. Donc, euh, comme l'a dit, oh, euh, aujourd'hui, nous allons parler de procrastination. En allemand, bien sûr, puisque en français et dans les autres langues, ça a été déjà fait le long de la semaine. Il s'agit de Sarino Kang, akan sai sande yan eh ni wani ba funa funa zama akan ni ma ta kamu din yanka te din amana bori matka ina finland da france ci na ga harno kan di samu silman kaina minno misali kan watu kulu hay filano ni gimga gate ni gim gate ni gim gate kala ni gate watu kulu kala hanfu ay fum ka gande se mu ko kedin yana am am wadu harino wala wakan izar mai gine kabiya hayawo woni kabi no musanwa dinna wa ya ci ngite ni mi di ya ni gwa ga sartu zanka tare wate mi di binye wala fo sai aran da kere aram ko no forum do hayadi di ne ka aran kabiya no ko ni mamwa ni di aga fo kan ni ga ga da bayan kajiri wal fitta wala haifonno aga tenisi to ni di wodin wo din yela la di wala lakkal wasu yon kai ni kan kani se ngono na chen din ga hari mono kan a yin to din hospital din ga mo ba no agin ba to fundi chin ga zama bore ngon da bang tai se kursa kadai masha Allah bore mo gor san mat kai gane doro kan bore kurgu be da suka doro kan ne diabet da bore go zan kai gina se filano mor sukkar hmm. zan ka tara se biniyai go ha kul sukkar no da bino bonbon lemu hari apolo ame ame suka da ni gate da to ina mu samu amu amma ni gila sabu kan san dai no zan kuno yisi ba ni sai kani sai dai no ya din kala ni mi ni gana wala ni chele mo yi ne sai mi sin nonda amma a ga funi ban rai ma wasan da kaina kala wodi muka garu iman imanwa sai nigidi chefan aran girse kala imne filana ta yakin a wolf hospital mm-hmm. wolf filana bu ifo non ta se yakin no ba kan ni gozan ka akalla kalora mm. yakin a wokan inno na dangara wali nogu mullu kan no asi ni di hanno kan aga kan la kalora agin ba ni le kalo wazu tu zanka nko wodin giti eh isin gane sayan nubli me sandai hatenno kan ga kanise da kalowa su ka harika? da nima hari kan fashat a mahima ni mate me te isirin da ce shirera me lakalwa wa wasu yan kai nufo dai no kai giki shi bi hala ara aran fam da matka ina ci da me an sarfan ga okay ci ci dai no mm. mono kan zabur ne te da bayan agye kan la kalora da bayan agye kan ayo ai mahima ga ta mai anti mm. ga hatta yan no Ah, Merci Moussa pour euh, ces éclaircissements sur le mot de la semaine qui est la procrastination. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana isu da magaram to studio kalangu tana taka ɗari bisa ɗari a dangance da rayuwar birni da ta karkara kuma tana taɓo hankula akan 'yan birni kuma da mutanen karkara musamman ma bangaren abin da ya shahi waye kai akan menene zan yi in gana <clears throat> ruwa kai na asiri bangaren sana'o'i da ma aikace-aikace kuma da ma kiwon lahiya hakika tana taka rawa muna ji kullum muna saurara to mu gaskiya gurub ya kamata ta bude na irin sauraren su da ya kasance wasu kasashe wasu gidajen radiyaka suna ba da dama kamar a rika kiransu kai tsaye ko kuma a rika tura musu sako ta shafin su na facebook da ma na group na wasa da farko zan kai gaisuwa ta ga president kin namu Muhammad Salisu da Zuma shine shugaba na masu kira sauran radio na Afirka na jihar da magaram kuma da babban wanda yake shine na babban kungiya Alkasim Babalima ina gaida shi akwai Muhammad Sani Bigiman wanda yake shi ma mamba ne akwai Sanusi Madattai nagode ku tashi lahiya sunana baba lefe daga nan da magaran a jamhuriyar Nijar. Gaskiya shirye-shiryen su ci do kalangu suna ƙayatar da ni musamman ma wajen wayar da kawunan al'umma da suke yi fanni daban-daban musamman ma an ka ɗauki fannin wayar da kawunan 'ya'ya mata musamman ma yara ƙanana wajen rishin kai su makarantu da iyaye ba sa yi gaskiya su kalangu wajen wannan ta taka rawar a zo a gani eh, ina kira dai ga cidiyo kalangu su kara faɗaɗa wannan shirin nasu na wajen wayar da kawunan kuma matasa musamman ma matashin da suke zaman kashe wando eh, zama ne na shaye-shaye nan ma gaskiya su kalangu muna ƙara goyon bayan su ƙara ah, jajircewa wajen faɗakar da al'umma domin wannan shirye-shiryen da suke yi yana ƙara jan hankalin matasa eh, wajen raba su da wannan zaman kashe wando. Eh, muna fatan eh, za a ƙara lokaci wajen gudanar da shirye-shiryen da suke yi. Zan ga da 'yan uwa da abokan arziki kamar abokina Mamman Sani Dauda Cinwanza, ina gaida Isu Maɗattai, Sunusi maɗatai. zan gaida dukkan dai ma'aikatan sitidiyo Kalangu. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou Aujourd'hui, Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même Ali Moukela Ouseni dit Seno. À la technique, c'était Abdelkader Chombiano et Adam qui à l'édition. Excellente journée à vous et bonne rupture d'avance. Bye bye.